c'est Madame Diagne. De, je suis la directrice déléguée de ISF. Ça nous a fait euh, très plaisir parce qu'on a toujours souhaité qu'il sorte et qu'il nous retrouve ici. Parce qu'il a toujours été un bon patron pour nous. Et vraiment, on lui souhaite euh, une bonne réinsertion. D'accord. Pendant ces années passées en prison, comment vous avez Bon, on a essayé de gérer. Il y a eu un moment de flottement, peut-être un an ou deux ans, mais maintenant on essaie de, gérer quoi, normalement, comme avant. Vous êtes arrivé de rester sans salaire Oui, nous est arrivé de rester sans salaire, mais on est resté serein. Et puis euh, on s'est sacrifié juste pour lui parce que, bon, il a été un, bon patron. Merci. Voilà. Santé à l'autre si xam na rek avant ah, sunu borom moom lu mu la teg moom nat lu mu mét mét mét dana jeex hmm. ñu si sant yàlla bu baax a baax a baax di ci kontaan tamit le fait que mu ngi dellu si ñun dellu si suñu biir bon dinañu gën a encourager dinañu gën a motiver sunu xel gën a daal. metti na méttiwut woon métti na méttitut woon waaw parce que xam nga moom yàlla daal moo yor moo yor jaamam hmm. mm-hmm. metti na méttiwut def nañ suñu lay katan def nañ lu nu mën ñun ak ñaañam mi nga xamne mom la fi bayyi won muy jambar lol nak muy jambar lol lol lol ci ci ci ci yoon bi hmm? japp ñu bu baax a baax a baax taxawuñu bu baax a baax a baax maanaam daal sant nañ ñaar bu baax baax baax. xaar ko mu si jam ak salam, fas yene taxaw liggey nak ah, fas yene taxaw liggey Quel est le sentiment que vous avez ressenti en apprenant aujourd'hui qu'on a libéré votre patron Ah, j'étais content, ému. Vous êtes ému jusqu'à ne pas pouvoir parler Oui, oui.